ngir waxtane li nga élection yi élection législative 2022 Benno Bokk Yakar, jël na ndam Benno majoritaire Et le président Pape Diop confirmé que c'est la grande coalition Benno Bokk parce que c'est la coalition de la stabilité. C'est la coalition de la vérité. Mais c'est la coalition gagnante Benno Bokk C'est la coalition des responsables de ce pays. féliciter ki moi le ministre de l'intérieur Antoine Félix John et toute l'administration territoriale parce que wax dëgg yàlla ken gisu fi ay contestation ken gisu opposition buy contester les résultats on n'a pas noté des contestations majeures donc nous félicitons le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom, et toute l'administration territoriale ça c'est le Sénégal notre pays qui en gagne donc bravo et félicitations à tout le pays, mais bravo et félicitations au ministre Antoine Félix Félicitez également Kinga la liste nationale de la coalition Benno Bokk madame Aminata Touré madame Aminata Touré Gatchengalama gis sa auprès du président de la république madame Aminata Touré moy du Monde mën juróom-ñaari goor Nous féliciter aussi ñi nga xamantene gagné nañ bu un peu partout dans le Sénégal dans le nord avec des résultats honorifiques nous félicitons les populations du nord nous félicitons les populations où on a gagné haut la main mais également nous félicitons nos camarades ñi nga gagné nañu wante ils n'ont pas démérité parce que c'est wax C'est résultat yi ñi am Nous avons ba ñu am député yu bari ci liste nationale ba amaana bu deful woon liggéey c'est ci base même si fekkente a gagné nous au niveau de la liste nationale donc nous ngi leen féliciter di encourager ci nous disons également que ama ay nit opposition bi ñi lam lamé li nga la légitimité du président Macky Nous avons ils avaient le même discours en 2017 lors des élections législatives parce que élections législatives 2017 49 des suffrages la ñu 125 députés cette fois-ci taxul 49 des suffrages deux ans l'Inquitec, président de la république dans élection présidentielle 2019 am 58 des suffrages donc élection législative des fois beaucoup élection présidentielle de itam avec élections locale donc que kuy laam la légitimité au président de la république na xaar élection présidentielle ñew ba sur le terrain voulez une faire tenir aussi l'opposition la et campagne dafa mobiliser tous les leaders de l'opposition ñi nekk ci liste bi ak ñi ñu forclos ak opposition bi te ne gagné wuñu Benno président de la république bu ci image am les élections rek ci élection législative waxuma la majorité mais dinañ am une majorité confortable à l'Assemblée nationale maintenant tout n'est pas nickel au niveau de la coalition Benno nous devons faire des efforts pour soutenir le président de la République parce que tout simplement il ne mérite pas il ne mérite pas Mouham 82 députés Kessé. il ne le mérite pas ndax pas def té xam nañ né ku melné président Pape Diop xam réew mi xam histoire réew mi xam lan moy paix lan moy jam, xam lan moy stabilité d'un pays ñu melné mom dina ñëw fekk ci la coalition Benno Bokk Yaakaar pour ñu continuer l'émergence bi nga xamante président dig na ñu tout le monde sait que Pape Diop homme d'État la tout le monde sait, Pape Diop, fois choisir un camp librement, qui est celui de la coalition Benno Yakar. Donc nous félicitons Pape Diop d'avoir choisi un camp de la stabilité, le camp donc des responsables de ce pays. Je damay qui souvent opposition bi di Qu'est-ce qui fait fekki opposition bi peuple fait. la fekki mais dañuy faté Mais aujourd'hui la coalition Benno Bokk yakar elle est majoritaire donc pour peuple peuple bi coalition Benno Bokk yakar lañu Andal. ce n'est pas parce que nit ñi nañu opposition que peuple bi lañu andal non opposition bi waruñu nangu muy jaxase muy lëndëmal xelu sénégalais yi le peuple est avec le président Macky la preuve est que nous avons la majorité. Je suis ci HCCT le Haut Conseil des collectivités territoriales L'opposition bi dafa pas pertes day perte parce que xam que conseillers votent voté te conseillers à l'intérieur du Sénégal Nous avons boycotté l'élection élection au conseil d'union. di mais dama len di fàttali que ne lan lañ fi waxone ne woon nañ ne dinañ créer li nga xamante moy association des maires du Sénégal fan lañ ci toll ay waxi neen opposition bi mënuñu nax sénégalais yi dañu xamné ne dañuy perte élection au conseil des collectivités territoriales motax aujourd'hui ñu ne dañ koy boycotter lolu kese la du lenen le refus de participer aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est une autre forme de la défaite pour l'opposition. Ça, c'est clair. Maintenant, demain, ñaax ndaw ñi ñu Nous ñu taxaw bu comme nous avons fait l'élection ci élection représenter le président de la République taxawu la coalition Benno Bokk yakar partout dans nos communes partout dans nos départements pour continuer cette histoire de victoire et de victoire donc Koger, maa ngi leen di jaajëfal di len wax ne nañu dem gëna taxawu le président Macky Sall parce que lool la soxla toujours toujours gis nañ sen taxaway parce que si élection yi

ni mu donc bu doon liggéey rek mooy sénégalais yi votel la duñu président Macky Sall donc bravo au président de la République nous le félicitons te di xamal nit nous sommes prêts la jeunesse est debout et nous demandons au président de la République de renforcer les jeunes parce que tout simplement ce sont des militants sincère l'engagement est total Que comme nañ ne renforcer parti bi vous renforcer donc coalition Benno Bokk la nous renforcer renforcé, le président Macky Sall la partout dans le Sénégal je vous remercie.